forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Messieurs, dames, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangu à la présentation Rahila Toussoumana. Cette page horaire est consacrée au forum, un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Comme chaque vendredi, le forum reçoit des confrères de la place pour décrypter les faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Avec nos invités, nous allons tout d'abord euh, aborder les affaires en justice, euh, à savoir le procès de Baba Alpha, journaliste euh, au groupe de presse Bonferrey et son père, qui a eu lieu le mardi 11 juillet. Ils sont poursuivis pour usage de faux. Le délibéré est prévu le 18 juillet prochain. Il s'agira aussi de l'affaire Bana Ibrahim et Gamache Mahamadou, membre de la société civile nigérienne, dont le délibéré a eu lieu hier. Aussi l'interpellation d'Ali Soumana, promoteur du journal Le Courrier. Il a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Filengue par le juge d'instruction en attendant la fin des investigations. Et enfin, celle récemment à Maradi de Mohamed Lawali, le correspondant à Maradi de la radio et télévision Saronia, et Abdou Daneto, le coordinateur euh, régional du collectif euh, pour la défense du droit à l'énergie CODAE. Nous aborderons aussi les réactions de l'Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI, de Reporters sans frontières et Amnesty International par rapport à la liberté de la presse au Niger, ainsi qu'aux interpellations de leaders de la société civile et activistes politiques. Il sera aussi question des inondations enregistrées lors des dernières pluies dans les régions d'Agadez, Tawa, Maradi et Niamey. Un mot aussi sur euh, l'insécurité avec la recrudescence des attaques à main armée sur les grands axes de la région de Tawa et celle de Boko Haram dans la région de Difa. En dernier lieu, nous parlerons sport, euh, notamment les tirages au sort de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, le championnat national d'athlétisme ainsi que de l'élection à la présidence de la FENIFOOT qui s'annonce électrique. Avec nous dans ce studio, Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Jafar Maman, directeur de la publication du journal L'Indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Murtala Mamadou du journal la Griffe. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir honoré de votre présence. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce forum avec euh, l'affaire euh, Baba Alpha, journaliste de la radio-télévision Bonferrey et son père. Le procès a eu lieu le mardi 11 juillet et le délibéré est prévu le 18 juillet prochain. Pour cela, Baba Alpha et son père sont poursuivis pour euh, usage de faux. Jafar, est-ce que vous êtes euh, confiant pour euh, le délibéré prochain Oui, je pense qu'il est, intéressant d'être confiant et surtout d'être vigilant, puisque c'est une question qui nécessite assez de vigilance pour que ce procès-là puisse se faire en toute euh, équité, et en toute diligence. Je pense que euh, on a suivi les réquisitoire du procureur. Euh, c'est son réquisitoire, il est dans son rôle, mais nous attendons au juge chargé du dossier de prendre toutes ses responsabilités et de traiter cette question avec beaucoup de diligence, sans état d'âme, comme on dit, et sans aucune injonction. Merci. Euh, donc, euh, Murtala, à vous, êtes-vous confiant par rapport au délibéré prochain euh, si peut-être on est dans, dans un état où je carrément idéal, je dirais oui, mais euh, avec euh, euh, fort malheureusement les risques qu'on encourt chez nous, je crains fort que la confiance, même si elle est démise dans les rangs des hommes des médias, ne soit des ne se, soit, ne se solde par une déception parce que euh, la volonté, elle est claire. La volonté, c'est de punir, c'est de sanctionner. Donc, euh, euh, de sanctionner le, journaliste Alpha qui, à travers ses prises de position, est, quelqu'un qui est très critique. Alors, c'est pour cela qu'on est parti quand même fouiller dans son passé et dans sa vie privée pour pouvoir trouver des, des griefs parce que sur le plan de, son travail, quelles que soient ses prises de position, on ne pouvait pas le prendre pour cela. Alors, euh, je crois qu'il y a une certaine volonté de nuire qui est là. Euh, c'est cette euh, volonté de nuire que je constate qui me fait penser que tout est mis en place pour qu'il n'échappe pas à une condamnation. Monsieur Ousseini, vous êtes journaliste indépendant. Qu'espériez-vous pour le prochain délibéré Eh Bon, ce que je peux espérer, c'est qu'il soit libre. C'est qu'il soit libre. Et vous êtes confiant Bon, à ce niveau, vous me posez une colle, parce que tout simplement, quand j'ai vu les réquisitoires, trois ans, je me dis quelque part, c'est que même s'il bénéficie, c'est pas véritablement, c'est pas, il va être libéré, machin, non-lieu. Certainement qu'il y a une volonté, comme Mouktala vient de le de, de, de, de l'embêter. Mais ce que j'ai dit, et ce qui me fait mal aujourd'hui, dans le cadre de l'exercice de cette profession, c'est que les gens sont dans une dynamique où je ne parle même pas des hommes politiques, parce qu'eux, ils sont dans leur rôle. Aucun homme politique ne veut être dérangé. Aucun acteur au pouvoir ne veut être dérangé. Ils sont dans un rôle où ils instrumentalisent, y compris les médias. Où j'ai écrit, j'ai vu, j'ai lu dans la presse cette semaine des gens qui s'en prennent à ceux qui disent non. Non, le journaliste. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi, l'ordonnance de 2010, qui dit voilà comment ça doit se passer quand il s'agit d'un journaliste. Mais quand des gens disent, on essaie de dire non, il faut écarter ça, on, va sur le code pénal pour juger des journalistes. Moi, j'ai dit, je suis vraiment choqué d'entendre des journalistes ou défendre ou écrire des choses comme ça. Tant que c'est dans l'exercice de la profession, Baba Alpha, ce n'est pas dans l'exercice de la profession, son cas. C'est clair. Ce n'est pas dans l'exercice, mais il est vrai qu'on est allé fouiller dans sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un journaliste très critique vis-à-vis -vis du régime. Et quand il fait ses analyses, c'est qu'il fait des comparaisons. Il remonte, il va dans la gang, il fouille pour trouver des choses, pour venir dire voilà ce que celui-là qui est au pouvoir est en train de dire hier. Et voilà ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est ça l'analyse en matière de journalisme. Mais quand, bon, on considère que non, on doit oublier le passé. On ne peut pas oublier le passé. C'est le passé qui construit le présent. Mais tant que les gens n'ont pas cette conscience, tant que les gens n'ont pas cette vision-là de l'exercice de la on ne peut jamais avancer. Et mm. c'est ça que je trouve dommageable à mon niveau, que des gens écrivent pour dire non, on ne doit pas défendre. Moi, je défends un journaliste dès lors que c'est un journaliste et De l'autre côté, lui, ils sont, ils sont là-bas. Il y a quelqu'un, il y a d'autres qui sont dehors. Nous allons y revenir euh, plus tard euh, en ce qui concerne euh, l'affaire en justice de Bana Ibrahim, membre du bureau des jeunes du Modène FA Lumana et de Gamache Mamadou Yansambou, secrétaire général du 5 Taxi. Le verdict est tombé hier jeudi 13 juillet. Gamache a été relaxé pour fait non constitué et Bana Ibrahim lui est condamné à trois mois d'emprisonnement, dont deux avec sursis. Bana et Gamache ont été interpellés suite euh, à une plainte du syndicat autonome des magistrats du Niger à Saman pour dénoncer un jeu de discrédit sur le corps de la magistrature après des publications faites par ces derniers sur les réseaux sociaux. Murtala, vous qui êtes du journal euh, L'Indépendant, que doit-on comprendre par fait non constitué oui, oh, fait, euh, sans être euh, un juriste, c'est dire que le fait pour lequel euh, il est poursuivi ne présente pas la matière à, pouvoir, ne constitue pas une faute en tant que telle. donc, une fois de plus, je dis, on a intérêt d'être confiant et d'être vigilant. Il faut associer les deux, la confiance et la vigilance, puisque c'est ça qui nous permet euh, d'avoir un regard sur les actes publics et de savoir euh, pour l'histoire qui les a pris, les a pris et pour, euh, pourquoi et comment. C'est très important dans, une, dans la vie d'une nation de savoir, elle l'a dit, même pas d'oublier l'histoire, mais de savoir interroger l'histoire. ces genres d'actes sont à saluer, le fait qu'ils soient relaxés, mais aussi, euh, il y a un vieux débat qu'il faut introduire dans notre euh, société et surtout dans l'espace public, c'est euh, la question. Je pense que tous les concepts juridiques devront être dans les débats publics pour comprendre quelle est la limite en tant que citoyen de mes actes vis-à-vis de, de, l'action judiciaire et, des acteurs même de la justice. Euh, euh, c'est la question, euh, par exemple, d'outrage au magistrat. C'est une question qui n'est pas comprise par les citoyens et peut-être même par beaucoup de magistrats. Et c'est pour cela que ce genre de questions dans une démocratie devrait être euh, sur l'espace public pour qu'il y ait une compréhension des outils et des instruments juridiques. On a vu des cas, on a vu même avec des, des, acteurs politiques où les magistrats, les magistrats ou les juges se sont rentrés en collision avec des acteurs politiques et ça, ça, ça, euh, s'est euh, terminé devant les, juridictions. Et c'est pour cela que ce débat-là est important. Aujourd'hui, ce cas-là, c'est un cas de col pour le, le Bana et je pense que euh, les actes juridiques et la gouvernance des médias sociaux et des réseaux sociaux devraient être sur les devant de la scène pour comprendre jusqu'où j'ai ma liberté de m'exprimer à travers mon espace des réseaux sociaux et jusqu'où je peux euh, mon acte peut être euh, constitué comme une infraction. C'est des débats dans une démocratie qui permet d'avancer et je pense que il est opportun qu'on pose ces débats-là. Merci Jafar euh, Murtala de la Griffe. Euh, comment expliquer cette différence de condamnation entre ces deux interpellés Bien, euh, je crois que la différence réside dans la euh, la sentence même, quand on parle de faits non constitués d'une part, et de l'autre côté une condamnation, ça veut dire que euh, pour l'un, on reconnaît que euh, les faits qui lui sont reprochés n'existent pas, ou bien ce ce n'est quand même pas quelque chose qui est condamnable du point de vue de la loi. Alors que de l'autre côté, on reconnaît que il a tenu, il a, il a, ben, disons sur les réseaux sociaux, qu'il a tenu des propos qui sont constitutifs d'un jeu de discrédit sur euh, une corporation qui est celle des, magistrats. Mais il faut peut-être retenir que c'est euh, le juge est allé peut-être avec beaucoup de délicatesse, vu peut-être le, euh, la, disons la légèreté de ces des, des propos qui, qui, peut-être selon lui a justifié le fait qu'il condamne à une peine minimale trois mois dans un deux avec sursis, donc euh, un, mois d'emprisonnement ferme, qui est quand même une peine euh, euh, minimaliste de mon point de vue. c'est peut-être ça qui explique la différence de condamnation, mais comme l'a dit Zafar, c'est, il faut aller dans le sens de poser le débat sur quelles sont les limites, les droits et les différentes, de voir que les citoyens doivent respecter euh, au-delà de, la sphère publique, mais une sphère publique numérique qui est aujourd'hui euh, en train de prendre de l'ampleur chez nous. Eh bien, euh, dans le cadre de ces débats publics, l'accès en justice est également un moyen pour permettre aux citoyens de savoir ah ben, écoutez, euh, il y a des choses qui sont permises, mais il y a des limites à ne pas franchir. Euh, dans le même ordre, j'ai des discrédits pour une corporation que celle des magistrats. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une corporation qui peut euh, bien intenter des actions pour jeter des discrédits sur sa corporation. je parle, m'adresse à, l'ancien président de, de l'ONIMED et au secrétaire, l'actuel secrétaire de l'ONIMED pour qu'il voie les traitements également qui sont réservés à notre corporation. Merci, Murtala. Autre affaire euh, en cette euh, celle d'Ali Soumana, fondateur du journal Le Courrier, interpellé le 29 juin dernier. Après quatre jours de garde à vue, il a été placé sous mandat dépôt par le juge d'instruction en attendant la fin des investigations. Il a rejoint la prison de Filengue mercredi dernier après quelques jours à la prison à la maison d'arrêt de Niamey. Il est accusé de complicité de soustraire de soustraction de pièces de procédure et violation du secret de l'instruction relative à l'affaire qui oppose l'État du Niger à Africard, une société libanaise de fabrication de passeports biométriques. Ousseini, vous qui êtes journaliste indépendant, est-ce un délit de presse selon la Je vais d'abord réagir par rapport à l'intervention de Jaff et puis de Mouktala. D'accord. Parce qu'il y a un détail qui n'a pas été souligné. La justice, c'est une institution indépendante de par la Constitution. On a vu des ministres sortir, accusés de juges de corruption. Ils sont toujours là. Ils sont allés jusqu'à faire une déclaration pour dire qu'on n'a qu'à leur livrer un ministre. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. En principe, aucun citoyen nés au-dessus de la loi, c'est la loi qui fonde. Et il faut que tous les citoyens, quand ils posent un acte, on veut chercher des boucs émissaires ailleurs, pendant que voilà les vrais qui doivent donner l'exemple, parce que c'est eux qui doivent donner l'exemple. Maintenant, pour ce qui concerne l'affaire de Ali, c'est le même cheminement. Sur le même cheminement. Je ne vais pas me développer sur un peu. Mais je vais dire une chose, c'est qu'il faut que les journalistes informent. Le journaliste n'a pas sensé. Dans l'exercice, ce n'est pas, il ne doit pas sensé. Il doit fouiller, dénoncer ce qui ne va pas. Mais les gens ne veulent pas ça aujourd'hui. Il faut que tout le monde se mette à applaudir. Tout le monde ne peut pas se mettre à applaudir. Quand ça ne va pas, quand on sort les simples citoyens, ils s'expriment qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà ce qui dérange aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça qui dérange et je le dis tout haut. on a dénoncé hier. Hier. On a dénoncé. Quand eux, ils n'étaient pas là au pouvoir, on a dénoncé de manière la plus virulente. Il n'y a pas eu autant de menaces. Aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a des choses, il faut sanctionner ceux qui posent les actes, parce que c'est eux qui gèrent les affaires publiques. Les politiques publiques, c'est eux qui les mènent, c'est eux qui les mettent en œuvre. Quand quelqu'un qui mène une politique publique ou un acteur parmi ceux-là qui mettent en œuvre les politiques publiques, il pose des actes répréhensibles, il faut le sanctionner. Ce n'est pas celui qui a dénoncé qu'il faut sanctionner, c'est celui qui a posé l'acte. C'est ça qui peut permettre la coercition, comme on dit, c'est ça qui peut permettre de le faire. Mais malheureusement, on est dans un système où on considère que non, tout le monde doit se taire. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais ce qui a été posé. Celui qui a posé l'acte, il est là, libre, libre. Mais celui qui a dénoncé, celui qui va. Moussaf Kadi a posé le problème à Maradi. Où un acteur est en prison actuellement, un acteur associatif est en prison parce que tout simplement, il a dénoncé la, euh, euh, la prédation ou du moins euh, comment on appelle euh, le, le, bradage des biens publics. Nous allons y revenir euh, plus tard, mais vous pouvez répondre à la question ce qui concerne l'interpellation de Ali Soumana. Est-ce que ce qu'il a fait est un délit de presse Moi, pour moi, le journaliste doit faire l'investigation. Le journaliste doit fouiller. Le journaliste n'a pas un ministre va aller poser ou constater le déroulement des travaux d'une route ou non. Le journaliste doit chercher à savoir par rapport à cette route-là. Est-ce que l'argent qui est consacré à la construction de la route, est-ce que cet argent-là a été réellement investi On peut faire une route, au bout de deux ans, la route est dégradée. Parce que tout simplement, des gens se sont arrangés pour détourner l'argent. C'est ça le travail du journaliste. Mais ça sert à rien de dire que le ministre allait constater de visu ce qui a été réalisé. en quoi ça intéresse le citoyen le citoyen, sait qu'il savoir est-ce que l'argent qui a été investi là, est-ce que cet argent-là, réellement, on a consacré pour faire le, travail tel qu'il le faut, tel qu'il le faut pour que la route soit là pour 10 ans, 20 ans. Mais pas pour que la route soit juste là pour 2 ans et qu'on dise qu'on a fait une route, mais la route s'est dégradée. Il faut qu'on arrête ça. On ne développe pas un pays à travers des pratiques corruptives. Malheureusement, ceux qui font ce genre de travail, ils sont, ils ils sont en danger. Ils sont en danger, malheureusement, ils sont en danger. Et moi, je ne m'attendais pas de ce comportement-là, de ceux-là, qui sont actuellement aux affaires. Moi, je ne m'attendais pas, personnellement. Je ne m'attendais pas qu'ils se comportent de cette façon-là. Par conséquent, je considère que oh, les gens ne veulent pas être dérangés, ils ne veulent pas être dérangés. Bon, mais quiconque essaie de fouiner pour voir dans les poubelles qu'est-ce qui se passe, il est mis, il est il est, en danger. Merci Ousseini. Donc, euh, Jafar, est-ce que ce dont on accuse euh, Ali Soumana était-elle couverte par l'ordonnance portant régime de la liberté de presse du 4 juin 2010 qui semble qui remplace les peines d'emprisonnement par des peines pécuniaires euh, c'est un vieux débat qu'on a déjà posé en 2011. <clears throat> Et ici, j'ai cru comprendre que le, procureur a utilisé tout juste une fenêtre pour contourner l'ordonnance euh, euh, l'ordonnance 035 2010 en faisant quoi en ne, poursuivant pas Ali Soumana pour publication des documents administratifs ou quelque chose comme ça en allant chercher euh, une subtilisation de documents administratifs. Alors que euh, on est censé le poursuivre pour publication d'un document administratif. Euh, qui l'a volé, ça c'est un autre débat, mais on l'a vu quand même dans un journal, c'est publié. Et moi, à mon humble avis, c'est sur cette procédure que j'estime qu'il peut être poursuivi. Euh, et là, l'ordonnance est automatiquement en, vigueur. Bon, même si certains, certains, on en a fait assez de débats avec des, des juristes qui estiment que l'ordonnance 035-2010 euh, est une à valeur de loi spéciale et qu'elle ne remplace pas le code pénal. Mais là, nous sommes dans un cadre bien précis. Et c'est pour cela, j'estime que euh, le combat qu'il faut faire, c'est de ramener euh, la question à, la publication d'un document administratif et non vol. Et peut-être que un peu plus loin, on va voir le déroulé du procès. Certainement, on le souhaite que euh, le chef d'accusation soit requalifié en publication, puisque c'est là où l'ordonnance va véritablement. Et tout le débat, cette fenêtre, on l'a déjà dénoncé en 2011. Il y a eu euh, au moins deux à, trois confrères qui ont été arrêtés en contournant cette loi. Et les, les juges estiment qu'ils ne sont pas liés uniquement à l'ordonnance 035 puisque le code pénal leur ouvre la voie. Et ces débats-là, je pense que c'est ça qu'on n'a pas suffisamment fait pour, pour corriger la loi et bloquer ce, passage-là. Ah, au sortir des états généraux de la presse, c'était clair, l'ordonnance 035 couvre ce genre de délit. Et ces fenêtres-là, euh, bon, les juges même ou les juristes sont, sont partagés sur l'appréciation euh, qui est faite de, l'ordonnance 035 et de la possibilité d'appliquer aux journalistes euh, le code pénal. C'est là où vraiment il y a, il y a question. Et nous souhaitons enfin que l'affaire, le, dans, le, déroulé du, procès du, directeur du publication du courrier ou du Alusumane du Mons, que la question revienne sur, euh, sur euh, la publication de, euh, documents administratifs. Quoi, le poursuivre pour avoir publié un document et non pour subtilisation d'un document. Est-ce que Je veux juste, excusez-moi, je veux oui, parce que tout simplement, par rapport à ce débat-là, c'est un débat, une loi spéciale. Quand dans une corporation, il y a une loi spéciale qui couvre l'exercice de la du métier, c'est la loi spéciale qui prive. C'est ça, en fait. On ne peut pas dire non, on ne peut pas l'appliquer. Mais on met ça de côté, alors ça pose problème. Mais est-ce que cette dépénalisation-là, elle est partielle ou bien totale La dépénalisation, moi, j'ai fait beaucoup. Elle, n'est pas. La dépénalisation. D'abord, il n'y a pas même de dépénalisation. Il y a privation de peine de, de, peine de prison pour des délits commis par voie de presse. Ce n'est pas, ce n'est pas une dépénalisation comme les gens tendent à le dire. À la place d'aller en prison, tu payes des montants qui sont là c'est une conversion de peine. Ce n'est pas une dépénalisation comme les gens le disent. Le journaliste, même si tu vas pas en prison, tu vas payer peut-être 5 millions, 2 millions, 1 million, 3 millions. le, directeur de publication. Maintenant, au cas où tu n'arrives pas à payer. Mais malheureusement, on est en train de dévoyer karma pour faire comprendre que non, c'est le journaliste, on peut mettre de côté la loi spéciale. Quand il y a une loi spéciale qui régit l'exercice d'une fonction, d'un métier, c'est qu'on doit appliquer cette loi-là. Maintenant, s'il faut condamner le journaliste à 500 millions, à 200 millions, à, 100 millions, on le condamne. Mais on n'a pas le prendre pour dire, bon, ça n'est pas en vigueur, on ne peut pas mettre cette disposition, cette loi-là, on met autre chose à la place. Merci Ousseini. Murtala de la Griffe, est-ce que c'est une façon de faire pression sur Ali Soumana pour qu'il dévoile ses sources ah oui, forcément, c'est une façon euh, de, de, faire en sorte qu'il dévoile ses sources, mais bien au-delà, une façon aussi de, de, d'essayer de lui clouer le bec et lui avec lui tous euh, les les, les, acteurs des médias qui seraient tentés de euh, d'aller fouiner dans certaines affaires qui ne sont pas très claires parce que euh, une chose est claire comme l'a dit le le, le Don Issa Ouseni, personne ne souhaite être dérangé et quand les gouvernants ont certaines affaires qui peuvent paraître louches et que des acteurs des médias s'y mettent et qu'ils cherchent des, à, savoir à faire comprendre à faire savoir l'opinion qui se passe véritablement. Euh, ils sont tentés de, de, de, trouver des subterfuges pour pouvoir euh, les faire taire. Et donc, euh, vous voyez, toute cette question de, autour de l'ordonnance de 2010-035, je dis, soit arrêtons-nous un instant et disons-nous qu'une chose est très claire. Est-ce que la faute qui a été commise a été une faute euh, commise par voie de presse Si oui, alors euh, l'ordonnance 035 s'applique. Euh, cette divergence d'appréciation au niveau des juristes, moi je dis, il y a d'une part des juristes qui sont progressistes, qui sont en faveur de la liberté, la liberté et la liberté d'expression, évidemment. Et de l'autre côté, ceux qui sont quand même euh, euh, assez conservateurs et qui ne veulent pas euh, que la, liberté d'expression soit la règle, mais ils veulent plutôt la ramener au rang d'exception en trouvant toujours des subterfuges pour pouvoir exploiter les failles de l'ordonnance, parce qu'elle a des failles malheureusement, pour poursuivre des journalistes non pas sur la base de, cette ordonnance qui est spéciale, une loi spéciale concernant, et concernant leur profession, euh, plutôt sur la base du code pénal et sur cette base, euh, continuer à enfermer des journalistes euh, et faire de cette manière le jeu du politique. continuer de faire le jeu du politique et cela je dis c'est dangereux pour une démocratie en construction si on veut ramener la liberté d'expression au rang d'exception et non qu'elle soit la règle. D'accord. En 2006 aussi, euh, c'était le cas. Euh, Ali Soumana a publié, euh, comment dire, un document qui impliquait des hautes personnalités et il a été en, condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Est-ce que ces publications-là, que pensez-vous de ces publications? Bon, vous savez, euh, la publication de, certaines informations, ou de certains documents, euh, ça relève d'abord de, la conscience du journaliste. C'est lui qui est maître de, ce qu'il va publier. Il décide, selon, d'apprécier de l'utilité pour le public de l'information ou du document qu'il va publier. Alors, euh, je ne peux pas me mettre à la place d'une position de moralisateur pour dire tel document ou telle information ne doit pas être publiée, mais à chacun chacun euh, de juger selon sa conscience et sa moralité et surtout euh, son objectif. Donc, euh, quoi qu'il en soit, quoi que vous publiez, de mon point de vue, tant que ça reste le cadre de la profession de journaliste, puisque en 2010, l'ordonnance 035 n'existait pas. Euh, c'était le, régime euh, traditionnel du code pénal. Aujourd'hui, nous avons l'avantage, la chance d'avoir une ordonnance spéciale qui, consacre cette conversion de peine. Euh, je dis, allons-y sur cette base-là et peut-être avec le, travail qui a été fait dernièrement avec la maison de la presse et le, ministère de la communication, le CS, etc euh, j'ai espéré qu'il y ait une disposition qui dise, qui dans cette ordonnance, euh, dans la révision, qui dise clairement que cette ordonnance couvre maintenant cette fois-ci tous les actes qui, sont, qui viendraient à être commis par euh, un journaliste dans le cadre de son travail. C'est peut-être l'absence de cette disposition écrite euh, euh, noir sur blanc qui fait qu'il il y a quand même des juristes qui sont assez vicieux, qui, qui, qui, sont, qui continuent encore à nous envoyer en prison pour l'autre travail que nous faisons, qui est celui quand même d'informer l'opinion publique. D'accord, Jafar du journal euh, L'Indépendant. Est-ce que les journalistes euh, ont des raisons de s'inquiéter pour l'exercice du métier Oui, bel et bien. Euh, puisque au, au, stade actuel, l'espoir que nous avons nourri au sortir des États généraux de 2010, des États généraux de la presse, est, en train de s'envoler. Et je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. écoutez bien, la question n'est pas euh, au fait de donner un chèque à blanc au journalistes. Quand euh, il, le, tout, exerce, tout, tout métier est encadré. S'il s'avère vrai que le journaliste, dans le cadre de l'exercice de, de, de, de, son métier, a, a, manqué à ses obligations, c'est normal qu'il puisse répondre, que ce soit devant euh, l'organe de, de, régulation ou de, de, de l'organe d'autorégulation, ou que ce soit devant les tribunaux, euh, les, associations des médias ne sont pas contre que le journaliste en tant que citoyen réponde de ses actes, mais que des instruments juridiques sont bien définis, clairement reconnus, et qu'on trouve de subterfuges pour choisir euh, l'option la plus dure à condamner un journaliste, c'est ne pas lui appliquer le texte en vigueur. C'est ça que nous, nous, disons que c'est très grave et c'est ça qui, prend qui, fait que le pays et la gouvernance démocratique du Niger prend un coup. Et la preuve, c'est que euh, depuis un certain temps, on constate que euh, à chaque fois que le, le, RSF, le Reporter sans frontières, fait son, son rapport annuel, le Niger recule il y a une seule fois où le Niger a reculé du faute des, journalistes. Mais depuis ce temps, on constate que c'est de faute des pouvoirs publics. Et c'est pour cela que la question doit être sur la table. La question de miseler la presse, je pense qu'elle n'est pas, elle n'est pas euh, opportune pour les dirigeants politiques. Euh, le débat que maintenant qui reste, c'est de dire, face à cette inquiétude, il appartient de reposer un débat. Et c'est pour cela, nous, au niveau des associations, on a posé un débat euh, à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse pour s'interroger sur les instruments juridiques, les engagements politiques et la réalité de l'exercice du métier du journalisme. Et cette question est à l'ordre du jour puisque plus on, avance, plus on constate de, manquements, plus on constate euh, des antagonismes inexpliqués par rapport à, l'acceptation du travail du journaliste. Et ce débat-là, je pense qu'on doit le mener tous et le, au bénéfice de, de, de la démocratie nigérienne. Merci, Jafar. Autre interpellation, celle à Maradi mardi dernier et l'emprisonnement aujourd'hui même euh, d'Abdou Daneto, coordinateur euh, du collectif euh, pour la défense du droit à l'énergie CODAE, suite à une plainte déposée contre lui par la mairie. Selon Ayuba Moussa, le président du conseil de ville, Daneto aurait déclaré sur les ondes d'une radio de la place la vente illégale d'une rue dans le quartier Ali Dansofo. Le journaliste de la radio Saronia qui a réalisé l'interview El Kaouje Mamman Lawali a été auditionné par la police puis libéré. Je vous propose de suivre la version du maire de Maradi. Je pense que vous l'avez écouté avec moi à la radio la semaine passée. Monsieur Daneto rentrait parler que la mairie a vendu une ruelle à un commerçant. Donc il a donné les précisions, l'indication, il a appelé la population d'aller voir. la même vue des tas de sable qu'on a déjà amené pour construire. Donc effectivement c'est par rapport à ça que la mairie a porté plainte contre ce monsieur pour que nous prouve que la voix était vendue et qui l'a vendue. Moi, je connais pas la voie, mais il a dit que c'est à, vers mes drapeaux. Nos techniciens sont à l'œuvre pour expliquer de quoi il s'agit. Si c'est une vente ou bien c'est des parcelles des gens, de façon que les gens sachent que c'est un lotissement depuis le temps de, de Donc c'est un vieux lotissement. Et vous estimez que cette ruelle n'a pas été vendue C'est pas de mon ressort de vendre une ruelle. Vous venez d'écouter le président du conseil de ville de Maradi. Ousseini, vous qui êtes journaliste indépendant, quel commentaire faites-vous par rapport à l'intervention du maire Quel commentaire je vais faire Ici, il y a la ceinture verte. Tout a été morcelé et vendu. Les gens sont là, ils regardent. Les gens ont morcelé, ils ont vendu, ils sont en train de vendre. Partout, les gens vendent. Partout. Ce monsieur, s'il n'a pas des informations crédibles. Il ne va jamais accorder une interview pour dire. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, au lieu d'interpeller l'acteur de la société civile, c'est tout simplement d'investiguer pour voir si vrai ou faux l'espace où la rue a été vendue. Ça a été fait. Parce que tout simplement, ceux qui sont aux affaires, ils considèrent qu'ils peuvent faire tout. Tu les déranges, on te prend, on te dépose. Voilà la logique. Mais ça coûte quoi Ça coûte quoi d'aller investiguer voilà, le gouverneur, parce que le, le, le chef de canton, le, ça coûte quoi de faire ça Ça coûte quoi Parce que c'est un bien public. Mais que des gens posent des actes comme ça, et que celui qui dénonce cela, c'est celui-là qu'on prend pour le jeter en prison, on veut y aller où On veut aller où Où est-ce qu'on veut aller Avec ces actes de pratique-là, on veut aller où C'est pas compliqué. Maintenant, s'il s'avère que ce monsieur, il a raconté des histoires, à ce moment, quand on a investigué, on peut aller le prendre pour dire qu'il a fait, il a, il a, il a menti. Mais on le prend, on le met, on, le garde. C'est lui qu'on garde. Pendant que c'est qu'il a dit là, on n'a pas pu apporter la preuve que ce n'est pas vrai. Donc, euh, Murtala, selon vous, l'interpellation du journaliste était-elle justifiée non, euh, le journaliste, euh, euh, pourquoi l'interpeller Il a accordé, il a, il a interviewé quelqu'un, un acteur de la société civile qui est très actif dans Ramaradi, que je connais très bien. quels que soient les propos que ce monsieur aurait tenus dans, cette interview, je pense pas qu'il que le journaliste, qu'il y ait quelques raisons d'inquiéter le journaliste, dans la mesure où ils ont déjà porté plainte contre le monsieur qui qui a, qui a fait cette déclaration de la polémique. Alors, euh, euh, sur même l'interpellation de l'acteur de la société civile, de la plainte, etc., je dis, mais euh, comme l'a dit le doyen Hussein, une investigation va permettre de, dire, de, savoir ce qui s'est passé réellement. Et puis, euh, si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, un simple communiqué pour démentir suffirait. Mais je vois pas cette. En fait, on a une certaine frénésie chez nous quand on est à un, certain niveau de responsabilité, euh, de vouloir montrer euh, sa toute puissance, une façon de dire, je veux lui montrer qui je suis avec ça, euh, on, risque véritablement de passer encore euh, euh, un autre quart de siècle sans arriver à construire une société véritablement démocratique parce que chaque acteur va vouloir, acteur politique, quand la responsabilité, donc en tapant fort toute voix contraire, toute opinion contraire, risque de faire en sorte que le débat n'existe pas dans la société. Et quand il n'y a pas de débat, je dis, c'est pas une société démocratique. Alors, je dis tout à fait, ça, aurait, être, ça, aurait, ça aurait pu être euh, un acte de grandeur de la part de, monsieur M. Ayouba euh, de, de, faire en sorte que le monsieur qui a, qui a tenu ses propos, si ses propos n'étaient pas vrais, qu'il sorte un communiqué juste pour le démentir et puis qu'il lui montre que lui, euh, il est quand même assez grand pour ne pas le poursuivre pour des, des, des banalités. Donc je dis, si on l'a poursuivi et qu'on cherche à le faire taire et avec lui, tous ceux qui seraient tentés de faire des choses similaires, c'est que quelque part, il y a un sous roche. D'accord, euh, Jafar euh, de l'Indépendant. En dehors de la plainte de M. Ayouba, le maire, c'est qu'il y a deux autres personnes qui ont porté plainte. Le gouverneur plus et, le chef de canton de... Comment ça s'appelle cette localité-là Il y a une localité, un machin, un canton. Les chefs de canton, ils ont porté plainte eux aussi, après le maire. Mais ils n'ont pas été il y a trois plaintes. Il y a trois plaintes contre le monsieur. Trois plaintes. D'accord, nous n'avons pas assez de temps pour euh, discuter de cela. Donc, Jafar de l'Indépendant, à votre avis, quelle place euh, occuperait notre pays dans le prochain classement de la liberté de la presse euh, que publie Reporters sans frontières Ah, pas du tout reluisant. Dans le contexte actuel, et vu il y a peu l'accélération de, certains comportements vis à -vis des médias, je pense que euh, on ne va pas s'attendre à grand-chose. Je suis d'habitude optimiste, mais cette fois-ci, je sais que ça serait difficile. Mais je, constate très rapidement quelque chose. Euh, nous sommes allés, euh, ce sentiment de, de, violence, ce sentiment d'excès de pouvoir, c'est ça que je ne comprends pas pour les responsables publics de notre pays quand un simple à la, la situation de Maradi, un simple démenti allait résoudre la question. Un simple démenti, un droit de réponse du, maire résout toute la question. Et c'est valable pour beaucoup de cas où on préfère, avec une certaine violence, aller porter plainte et chercher euh, le summum de la sanction, alors qu'on peut régler ça très facilement. Et c'est ce débat-là qui doit occuper l'espace public. Et c'est, je suis, j'estime que c'est plutôt euh, les acteurs politiques euh, qui, font preuve de, de, de, violence dans, l'appréciation des faits, dans l'appréciation des débats démocratiques. Et ça, c'est regrettable pour une démocratie. À votre avis, est-ce que les deux personnes qu'a citées Husseini se sentaient ciblées Bon, dans, tous les cas, puisqu'ils ont porté plainte, ça veut dire qu'ils euh, veulent saisir aussi la perche et, peut-être euh, euh, régler leur compte au, à l'acteur de la société civile. Mais le débat n'est pas, n'est pas, mais c'est cette option d'aller subitement vers la justice, vers la police judiciaire, alors que la démocratie nous a ouvert une brèche extrêmement importante, c'est celle de donner sa, sa version des faits. En tant que dirigeant, lorsqu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis, je, serai à l'aise et avec tout honneur de venir dire voilà la version des faits. Par le passé, dans le régime d'exception, on peut le comprendre puisqu'il n'y a pas la possibilité de se faire entendre. Mais aujourd'hui, nous avons euh, tous ces canaux. Un maire, par un simple euh, tweet ou sa page Facebook, il peut alerter toute l'opinion pourquoi ne pas saisir ce genre d'occasion au lieu d'utiliser sa position et de préférer toujours la sanction la plus, la plus grave Murtala, en 30 secondes, avez-vous quelque chose à rajouter euh, écoutez, je sais que je voulais peut-être dire, c'est euh, par rapport au prochain classement, la position de, notre pays. Euh, euh, peut-être ce serait le classement le plus peut-être le plus mauvais de notre pays depuis euh, fort longtemps qui risque de d'advenir si en tout cas euh, on poursuit sur cette lancée des interpellations à tout vent alors que Jafar l'a dit on peut résoudre beaucoup de choses avec des moyens des canaux assez simples. Ousseini, en 30 secondes, ajoutez-vous quelque chose Rapidement, je vais dire. Rapidement par rapport au cas de deux personnes que j'ai citées, ils ont dit que le monsieur les a accusés d'avoir été corrompus. Dans la déclaration de Moustapha Kadi que j'ai suivi, qu'ils ont été corrompus 900 millions, ils ont pris 900 millions dans la vente. Mais ça coûte quoi de venir démontrer que c'est faux Merci Ousseini. Ainsi prend fin le forum de la presse de ce vendredi 14 juillet. Nous étions avec Ousseini Issa, journaliste indépendant, Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant et Murtala Mamadou du journal La Griffe. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous lundi à 18h pour un autre forum du studio Kalangu. Passez un excellent week-end.